Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Émettant depuis euh, l'immeuble cher Imam Hassan si c'est dans la cité religieuse de Medina Bay, vous nous suivez sur les ondes de la référence al FM 90.1. Merci de rester en notre compagnie. Le journal, tout de suite, les titres. Au sommaire donc de cette euh, édition 14 septembre, l'édition 2022 de la Grande Nuit du Kadmia célébrée ce mercredi à l'honneur de Cheikh Ahmed Tidjan Sherif. Dès le début de ce JP, le récit sur un pan de la vie et de l'œuvre du Saint-Homme. Hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, les boutiquiers manifestent pour dire qu'ils s'en lavent à grande eau les car les causes de ce qui leur valent une diabolique à outrance ne viennent pas d'eux. Entre Velingara et Kaulak, vous les entendrez au courant de ce journal. Et puis au courant de ce journal, nous parlerons de la 47e édition de la Semaine nationale de l'alphabétisation lancée officiellement jeudi euh, dernier au Sénégal derrière l'abbé Vitré. vitrée. El Haji Libas Mbaye à la technique. Restez avec nous tout de suite le développement. Le journal Nefa Sissé. Demain, euh, mercredi 14 septembre, je vous le disais tantôt, la célébration de la grande nuit du Kadmia à l'honneur de Cheikh Ahmed Tidiane Sherif. Dans ce midi, focus sur la vie et l'œuvre du saint Thomas. Voici retracée une infime partie de la vie de Sayyidina Ahmed Tijani, un célèbre maître soufi appelé Sidi Mokhtar al-Kunti avait annoncé que le XIIe siècle de l'égir ressemblerait à maintes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa et que c'est à cette époque particulière qu'apparaîtrait le sceau de la sainteté mohammedienne, son enfance. En effet, en 1737-38, 1150 de l'Egyre vint au monde Seydina Nashir Ahmed ibn Muhammad ibn Mukhtar Tijani dans une petite ville du désert algérien Ain Madi. Il fut le fils du très pieux et savant Sidi Muhammad ibn al-Mukhtar Tijani et de la pure et honorable Aïcha. Ils furent eux-mêmes d'une ascendance comptant de nombreux savants et saints accomplis. On peut citer à titre d'exemple son aïeul au quatrième degré qui possédait dans sa demeure une pièce lui servant de lieu de retraite spirituelle. Il y était constamment enfermé et personne d'autre que lui n'avait le droit d'y pénétrer. Il avait atteint un certain degré spirituel qui l'obligeait à se voiler le visage de la salle de contemplation jusqu'à l'arrivée à la mosquée et de la sortie de la mosquée jusqu'au retour dans ce lieu. En effet, ceux qui auraient vu son visage ne pourraient plus cesser de le contempler ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, sous peine d'en mourir, ce qui l'obligea à agir ainsi durant vingt ans. Sayyidina Ahmed était d'ascendance chérifienne, c'est-à-dire que sa généalogie remontait jusqu'au prophète par Sayyidina Ali et Fatima via leur fils Hassan Mais il ne le certifia qu'après avoir posé la question au prophète lui-même lors d'une vision à l'état de veille. Il lui répondit par trois fois « Réellement tu es mon fils ». Puis il ajouta Ton ascendance par Hassan, fils de Ali, est authentique. Est authentique et pour cause l'environnement dans lequel naquit et grandit Sayyidina Ahmed Sherif, un environnement de foi, de science et de sainteté. Sa famille était très attachée au Coran et à la Sunna. Son père appelait et exhortait les gens au bien, incitant les uns à l'application de la Sunna, combattant toute innovation, sans craindre pour Allah le tort de quiconque. Il fut aimé et respecté. Il arrivait à son père de recevoir la visite d'êtres spirituels venant lui proposer de répondre à ses besoins. Il s'en éloignait et leur disait « Laissez-moi entre moi et Allah. Je ne désire aucune attache autre que celle d'Allah. » Les gens venaient chez lui dans le seul but de se rappeler Allah. L'éducation du Saint-Enfant fut confiée à l'illustre et prestigieux Mohammed ibn Hammu Tijani, sous la conduite duquel il mémorisa le texte coranique en entier, et ce à l'âge de 7 ans. Il apprit ensuite le droit musulman selon l'école de l'imam Malik et étudia les différents traités de jurisprudence auprès du connaissant d'Allah, le savant Sidi Mabrouk ibn Mu'afia Madawi Tijani. Encore très jeune, Sidi Ahmed Tijani se fit remarquer pour son intelligence et sa piété, ainsi que ses vertus et sa modestie. Il était assidu dans ses études et possédait une volonté surprenante. Tout ce qu'il commençait, il le finissait, et tout ce qu'il entamait, il le complétait. Un jour de son enfance, en sortant de ses cours, il vit une lumière immense devant lui qui montait jusqu'au ciel. Puis le prophète sallallahu alayhi wa apparut et l'encouragea en ces termes Continue, car tu es dans la vérité. Suite à cela, il partit se réfugier dans la maison de sa tante qui se trouve à côté de ce lieu. Elle le couvrit et le réconforta tout en lui préparant du pain. Il arrivait souvent à ce jeune enfant de voir en rêve le tracé de son destin. En effet, il se voyait sur un trône gérant et dans des multitudes de créatures. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal en direct du studio Aline Momar Alilo et je vous le disais également tantôt, hausse généralisée des prix à Kaulaka et dans les rues week-end dernier. Les euh, boutiquiers ont dénoncé ce qu'ils appellent la diabolisation non justifiée dont ils sont victimes et émanant de tous bords à leur manifestation. Cher Tidjan Diagne, suivons-le. Les membres de l'association régionale des boutiquiers de Kaolack étaient dans la rue ce week-end dernier pour éclairer la situation de la hausse des denrées de première nécessité. Ces derniers ont dénoncé les propos de certaines autorités dans les médias. Ardonjim est le président régional de l'association des boutiquiers de Kaolack. Nous tenons à dénoncer la diabolisation dont nous sommes victimes depuis un certain temps et celle-ci porte par une certaine presse mal informée ou mal intentionnée de l'État et de certaines associations consommeristes du fait de l'augmentation des produits. Lors de cette marche pacifique, le secrétaire général des boutiquiers Ardondim a fustigé aussi l'attitude des présidents de l'association des consommateurs du Sénégal et de l'Inakwa Djapo. Inakwa nous formalisé l'association association des commerçants industriels du Sénégal Les boutiquier bi ak ki amul à l'Assemblée nationale pour la libéralisation du commerce lu neex mu def parce que ñoom ñoo am doole loolu moo ñu gën a sonal loolu aussi dañuy xeex pour mu jóge fii. Les boutiquiers de Kaulak ont interpellé l'État du Sénégal à régler cette situation. Ardondim. Nous tenons comme principe responsabilité de ces augmentations l'État du Sénégal qui n'exerce aucun contrôle, voire même impuissant dans la chaîne de distribution. Et définitive, nous demandons une assise nationale à la distribution afin de pouvoir se situer les responsabilités. L'association des boutiquiers de Kaulak demande aussi plus de considération. L'augmentation généralisée pas du tout à l'heure actif dans les rues de Kaulaka. Les précisions du secrétaire général de l'association régionale des euh, boutiquiers. Nous voulons informer la population sur l'impact de l'inflation qui est indépendante de la volonté des boutiquiers détaillants. Un détaillant est une entreprise qui trouve et achète des produits ou des services auprès de plusieurs fournisseurs et les regroupe pour les vendre aux consommateurs. Je veux dire là le boutiquier, ainsi, grâce à son commerce de proximité, il joue un rôle capital dans la mesure où le service de l'originalité de l'offre, la compétence du personnel et la qualité de l'accueil sont au cœur de l'activité. Le boutiquier crée un lien social. Son lieu d'exercice est un lieu de rencontre d'entre voisins qui y prennent plaisir à échanger plusieurs mots. Le boutiquier participe à l'économie et à l'initiative de l'initiative locale en payant les taxes et impôts. Le boutiquier est trop accessible. Nul besoin de prendre un véhicule. Il répond quotidiennement aux besoins de ses clients. Cependant, au titre exemple, le sac de lait de 25 kg qui nous revenait de 43 000 nous revient actuellement à 68, 68 000 francs, soit une hausse près de 60%. L'huile qui coûtait 18 000 francs actuellement est vendue à 28 000 francs. C'est vrai, La liste est longue chose. Nous saluons aussi vraiment les boutiquiers qui ici présents, vraiment, qui répondu massivement à qui Nous Vraiment, Ardo Jim, secrétaire euh, général régional de l'association des boutiquiers de Kaulak. Augmentation des prix des denrées au Sénégal, les boutiquiers et les détaillants de Velingara s'en également les mains. Ils ont organisé une marche pacifique vendredi dernier à travers les artères de la ville pour informer l'opinion locale la flambée des prix est indépendante de leur volonté. Aussi, l'association des boutiquiers et détaillants invite le président de la République à prendre des mesures pour éviter la concurrence déloyale entre les grossistes d'une part et d'autre part les petits commerçants. À ce propos, suivons au micro de Babacar Diouf Alassane Sow, leur porte-parole. Tout d'abord, je remercie Monsieur le préfet du département de Beleng de nous avoir accordé l'autorisation pour l'organisation d'une marche pacifique de l'association des boutiquiers et détaillants de Vélingara. Je remercie les personnes qui se sont déplacées pour assister à la marche pacifique et plus particulièrement aux membres de l'association et ensuite les forces de l'ordre ici présentes pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. La presse locale et nationale qui comme d'habitude ne ménage aucun effort pour la couverture médiatique de plusieurs événements. Notre marche à l'instar des autres marches des boutiquiers du Sénégal consiste à informer à la population sur l'impact de l'inflation mondiale actuelle et ne pas de la volonté des boutiques détaillants du Sénégal, qui est dit à ce fléau mondial qui ne cesse de secouiller la planète. Je veux dire le coronavirus et ensuite vient s'ajouter la guerre en Ukraine. j'appelle à la solidarité nationale. J'invite les participants à ne pas déborder les limites, de ne rien saccager et surtout de ne pas provoquer de l'embouteillage. Chère population voisine, j'appelle la population voisine, les clients qui viennent acheter des produits dans nos boutiques à la compréhension, car cette hausse des prix n'est pas due à la volonté des boutiquiers détaillants du Sénégal. Et nous aussi, notre chiffre d'affaires est en train de baisser. Et ceci nous concerne tous. J'invite le président de la République, en l'occurrence M. Macky Sall, de ramener le du commerce pour éviter la concurrence déloyale entre les grossistes et les petits commerçants qui travaillent 18 heures jour et nuit les petits commerçants qui travaillent 18 heures par jour et qui créent des emplois sans demander aucun sou à l'État. Je veux nommer les boutiques détaillants du Sénégal. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement et qui ont voulu nous accompagner dans notre tâche. Alassane euh, Sow euh, et de Velingara, nous voilà présent à Ziguinchor où les artisans réclament des financements, la continuité du fonds Covid-19 et un véhicule pour le président de la Chambre de Métiers. Ces artisans faisaient face à la presse ce mardi pour réclamer aussi une zone industrielle et la prise en charge de leurs nombreuses préoccupations dans la région sud du pays. Ils ont tenu à apporter des éclaircissements par rapport à une rumeur qui persiste liée à une somme qu'aurait reçue la délégation qui s'est rendue récemment à Dakar pour une rencontre avec le chef de l'État, Sadi Bouboyan porter leurs paroles, propos recueilli par notre correspondant Mohamed euh, Sagna. Sur 5000 artisans, on lui a demandé de choisir que 10 artisans. Et c'est pas facile de choisir. Raison pour laquelle on est venu ici pour essayer de calmer l'esprit des artisans par rapport à ce qu'on est en train de dire en ville. Donc il faut que les artisans puissent avoir conscience par rapport à ça et ils croient à Dieu que le choix n'est pas facile. Le deuxième point, on est parti rencontrer le président de la République sur beaucoup de choses. Dieu a fait on a eu notre représentant qui a parlé pour deux minutes. On a eu une satisfaction. On remercie le président de la République parce que euh, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'artisanat, il a pu rencontrer les artisans pour qu'on puisse discuter et euh, connaître leurs problèmes. Et il nous a promis. La semaine suivante, il a pu organiser une conseil euh, interministériel et il a parlé des problèmes des artisans. Donc ça veut dire qu'actuellement il y a des problèmes. Il nous a dit beaucoup de choses et on l'attend par rapport à ses promesses. Nous, on s'est rendu compte que le président de la République par rapport à le problème de l'artisanat. Il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Et ils nous avait demandé, par exemple, le problème des artisans. Les zones industrielles, on en a besoin. Nous, on le réclame. On est sur ce chemin. On est en train de voir des voies et moyens pour avoir, par exemple, des zones industrielles. On en a besoin au niveau de la région de Ziguinchor. On demande ça à Macky On demande à toutes les autorités qui s'impliquent par rapport à ça. Parce que quand vous voyez les zones, quand on parvient à avoir des zones, actuellement, les ateliers se déplacent de, année en année, de jour en jour. Donc, donc, si on parvient à avoir une zone industrielle, j'espère bien que là, en ce moment, on va, on va se recaser là-bas une fois pour toutes jusqu'à la fin de notre vie. Mais vaut mieux aujourd'hui, tu es dans ce quartier, après-demain, tu es dans un autre quartier, après, raison pour laquelle on insiste. Si on peut avoir des zones, des zones industrielles, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Dire aux artisans, parce qu'il y a des rumeurs qui sont en train de tuer, que ça soit Ziguinchor, Bignona et Ousui. Nous, les artisans de Ziguinchor, on est partis rencontrer le président de la République et on est venu 120 on n'a rien eu comme de l'argent sur ces côté financier. On a eu une satisfaction parce qu'il nous a dit, mais on n'a pas encore eu ses promesses. Et nous euh, restons à Ziguinchor où les mécaniciens automobiles sont installés. Dans plusieurs quartiers de la ville, bon nombre d'entre eux sont confrontés à plusieurs euh, difficultés, surtout en cette saison des pluies. Une situation qui impactent négativement sur leur quotidien. À ce propos, suivant ce reportage signé Mohamed euh, Sanya. À Ziguinchor, on les retrouve installés dans plusieurs quartiers, souvent à l'air libre. Ils, ce sont les mécaniciens automobiles. Beaucoup d'entre eux sont confrontés à un problème d'aménagement adéquat. Ils travaillent dans des conditions difficiles en cette saison des pluies. Là où nous sommes, des fois, on nous loue quelque temps, on va être délogé. Ici à Ziguinchor, vous connaissez Ziguinchor bon, c'est difficile de trouver un bon endroit pour travailler. On travaille dans des conditions très très difficiles pendant l'hivernage. Parce que vous voyez, notre toit notre bar là, le vent du jeudi passé l'a emporté, l'a amené sur le manguier. Et puis quand il pleut, on est obligé d'arrêter tout quoi. Pratiquement tout il y a de l'eau. Pendant cette période d'hivernage, nous avons des difficultés ici de travailler. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau ici, donc nous n'avons pas les moyens pour euh, faire beaucoup de travaux ici. Face à cette situation, les mécaniciens garagistes sollicitent l'accompagnement des autorités pour abréger leur souffrance. J'entendais tout le temps qu'on dit on va nous aménager un espace, euh, là on peut euh, gazer tous les mécaniciens, mais malheureusement jusqu'à là, il n'y a rien quoi. Donc si le gouvernement parvient nous aménager quelque part, là où ils vont aménager, même si on doit payer ça, c'est mieux pour nous quoi. C'est sûr que là, c'est pour de bon quoi. C'est un espace aménagé pour les mécaniciens quoi. Mais sans cela, bon, c'est très difficile pour nous quoi. Ce métier étant leur source de revenus, ces spécialistes continuent de travailler en équipe pour satisfaire tant bien que mal les services de la clientèle. Ziguinchor Mohamed Sagna et FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sur et FM 90.1. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence Dakar le vendredi. 9 septembre dernier, le lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. À l'hôtel de ville de la capitale sénégalaise, suivant l'allocution du maître des lieux, en l'occurrence le maire Barthélémy Diaz. La ville de Dakar occupe 0,23% du territoire national et connaît une forte concentration de population. En effet, avec une population de 1 216 000 habitants répartis sur 19 collectivités territoriales, elle concentre plus de 80% des activités économiques et industrielles du Sénégal. Ce contexte a amené à mettre en place un dispositif de soutien, d'appui, de formation et d'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avec le vote de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales auront les possibilités d'adopter des stratégies de promotion, d'encadrement et de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec l'appui du ministère de tutelle. Cela nous encourage dans notre dynamique d'appuyer les femmes et les jeunes constitués sous forme d'associations et nous incite à rechercher et à proposer des réponses dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Il nous appartient aussi, en tant qu'autorité territoriale, de mettre en place des politiques publiques pour favoriser une meilleure inclusion financière des populations. Il est également question pour les villes d'engager la réflexion sur leur rôle dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et sur les stratégies à mettre en place au niveau local pour concilier l'activité économique et l'équité sociale. Et l'équité sociale, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, à la cérémonie de lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire dans ses propos. Il n'a pas manqué de relever l'engagement de la ville pour l'épanouissement de sa population à travers le financement. Depuis une décennie, la ville de Dakar s'est résolument engagée dans la promotion de l'économie sociale et solidaire à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale dénommé FODEM. Et à ce stade, je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame Aminata Diop Samp, directrice du FODEM et le programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté, PAFSEP, e à travers un programme de soutien visant à insérer les populations démunies et marginalisées dans le tissu économique. Par le financement des projets des femmes et des jeunes tout en conciliant l'objectif de rentabilité avec un fort impact social. Ces actions constituent les instruments mis en place par la ville pour favoriser une meilleure inclusion financière des femmes et jeunes, souvent les plus exposés aux vulnérabilités. Au-delà du financement, la ville de Dakar accorde un intérêt soutenu à l'accompagnement et l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sensibiliser les communes et communautés sur les notions de l'économie sociale et solidaire. Obtenir une base de données chiffrées et les fédérer à la vision de la ville. Renforcer la dynamique partenariale en vue d'une plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre du plan de développement local de l'économie sociale et solidaire. Intégrer la dimension inclusive et environnementale, notamment la lutte contre contre le changement climatique dans le processus du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et puis Zahra Yantiam s'est réjoui vendredi de l'organisation d'un tel événement devant la presse pour la première fois. En Afrique a-t-elle tenu à préciser, suivant la En procédant au lancement officiel du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, ici à l'hôtel de ville de Dakar. Ce plaisir est d'autant plus réel que la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère historique à plus d'un titre. En effet, l'activité est historique car elle marque le lancement d'un événement mondial organisé pour la première fois en Afrique et qui constitue donc un défi majeur pour le Sénégal qui doit gagner le pari d'une grande mobilisation et d'une bonne organisation. Notre cérémonie est également historique parce qu'elle lance une activité qui permettra à notre pays de montrer au monde entier la place prioritaire qu'il accorde à la promotion et au développement de l'économie sociale et solidaire. Si au niveau national, notre prouesse se mesure à la mise en place effective d'un écosystème favorable à l'éclosion de l'ESS au plan international, en revanche, notre avancée se perçoit à travers l'affirmation d'un leadership fort et engagé. Faut-il relever que notre pays, à travers l'adoption d'une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, est entré dans le cercle restreint des nations qui disposent d'un dispositif juridique encadrant ce secteur stratégique. Et stratégique Zahra Yantiam, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire à l'hôtel de ville de Dakar vendredi. Lors du lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire dans ses propos, le dispositif juridique en cours de vulgarisation. Pour en savoir un peu plus, réécoutons-la. Toujours au micro de notre correspondant Arounian. Ce dispositif juridique très innovant est aujourd'hui en cours de vulgarisation vulgarisation et d'opérationnalisation à travers notamment le déploiement de la plateforme digitale Scène Label ESS chez la qui se veut être un dispositif de dématérialisation des procédures d'obtention de l'agrément ESS qui confère aux acteurs le statut d'acteurs d'économie sociale et solidaire. Cet instrument aura également pour rôle de faciliter l'identification, la structuration, l'encadrement et le financement des acteurs de l'ESS, que sont les coopératives ou les mutuelles, les associations entreprenantes et responsables, les entreprises sociales et les acteurs du secteur informel. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette loi, il est également prévu d'élaborer très prochainement une stratégie nationale d'encouragement à la RSE afin de stimuler et de diversifier les sources de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je vous le disais également tantôt, lancement de la semaine nationale de l'alphabétisation sur l'ensemble du territoire euh, national jeudi dernier. Cette 47e euh, édition a pour thème la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain la 45 e semaine nationale de l'alphabétisation au Sénégal a été lancée le jeudi dernier par le ministre de l'Éducation, Mamadou Tala, sur toute l'étendue du territoire. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens Alun Ndiaye est le responsable régional de l'alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée partout dans le monde. Et au Sénégal, nous avons choisi vraiment de célébrer à notre manière, c'est-à-dire en faire une semaine nationale de l'alphabétisation du 8 au 14 septembre de chaque année. Cette année-ci, dans la région de Kaolack, l'Académie compte organiser la journée phare dans la commune de Tchombi. Donc l'alphabétisation est la base vraiment du développement du capital humain. Vous savez que dans dans le PSE, la deuxième phase parle vraiment du développement du capital humain, donc en phase avec vraiment les recommandations du PSE. Ce dernier est également revenu sur le choix du thème. Et pour cette année, le thème retenu pour l'alphabétisation, c'est la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage, d'alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain. Un thème aussi important parce que parlant vraiment du développement du capital humain, on peut vraiment sans passer au sous-secteur de l'alphabétisation. Rappelons que le sous-secteur de l'alphabétisation est à la bonne marche du système éducatif au Sénégal. Malgré ce secteur reste un parent pauvre. Ainsi, pour remédier au fort taux d'alphabétisation des organisations de la société civile, appellent le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'alphabétisation. Le sous-secteur de l'alphabétisation, un parent pauvre, spécialiste en matière d'alphabétisation le président du parti politique Aprodel, Moussa Fall, dénonce le manque de volonté des autorités. Il prône pour la mise en place d'un ministère et non d'une direction ses propos au micro de Noa Biaye. J'ai toujours un pessimisme qui entoure ce secteur. Quand je parle de pessimisme, je dénote un manque de volonté politique réelle de la part de nos États, particulièrement du Sénégal, par rapport au secteur de l'alphabétisation. Je pense que l'alphabétisation doit aller quand même au-delà de nos slogans, au-delà de ses perspectives, aller vers une mobilisation sociale, aller vers ce qu'on appelle un ministère, mais une politique d'alphabétisation. Je pense à la planification d'abord. Euh, je pense que nous devons aller vers une éducation de l'alphabétisation, un ministère de l'éducation. Quand je parle d'éducation, il y a tout. Il y a les programmes, il y a des perspectives, il y a une planification d'ici 20 ans, 30 ans, pour qu'on puisse parler, écrire et aller vers ce qu'on appelle l'opérationnalité de nos langues nationales, aller vers ce qu'on appelle une appropriation de nos populations. Il faut que les populations s'approprient de ce programme, mais il faut aussi tout un intérêt au-delà de l'éducation, maintenant d'une prise en charge par les populations. Les populations doivent s'approprier d'abord l'idée. Il faut un intérêt dans tous les secteurs. Il faut que l'État aussi mette le prix. Quand on a une volonté politique, il faut la matérialiser à travers des actes. Il faut la matérialiser à travers des programmes de mobilisation sociale. Il faut que les populations soient imprégnées de la nécessité pour nous de faire de nos langues nationales des langues de travail, des outils de développement au service de nos États. C'est ça ma conviction. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a trop de slogans à travers notre politique. Il faut qu'on évalue ces politiques que nous avons menées depuis 10 ans, 30 ans et qui n'a pas donné ces résultats Restons toujours dans ce sous-secteur d'alphabétisation avec euh, Moussa Fall qui souhaite une évaluation des programmes et projets initiés depuis plus de 20 ans. Nous l'écoutons toujours au micro de Noabiaye. L'atteinte des résultats, je fais allusion à l'épanouissement de ce secteur du point de vue de la matérialisation de nos programmes sur le terrain. Toujours est-il qu'il y a plus la volonté des partenaires, ils croient au programme, mais est-ce que les Sénégalais, est-ce que l'État a cette même volonté que les partenaires au développement Ils sont convaincus que seul les langues nationales peuvent participer au développement économique et social de nos pays. Donc il faut quand même que l'État dépasse le sac de slogan, aller vers une politique productive pour que ces résultats, après évaluation, que nous puissions aller vers une réelle prise en charge de ces langues nationales au niveau de ces pays. Il faut que les langues soient au centre de nos programmes d'éducation. Il faut que ce soit au centre de nos programmes universitaires. Il faut qu'on puisse aller à la recherche. Parce que si on ne finance pas la recherche au niveau de ces domaines, ça ne va pas. Et que dans les autres domaines, dans les autres secteurs, dans les autres matières, l'État met beaucoup de moyens pour la recherche. Il faut que nous aussi, au niveau de ce secteur, que l'État mette des moyens suffisants pour aller dans la recherche, seulement dans la recherche qu'on peut trouver quand même des mécanismes, des techniques, mais aussi soulever des questions essentielles quand même, aller vers la matérialisation de cette volonté. L'État doit mettre aussi des moyens au niveau du budget national, mais aussi tout un programme d'éducation, je parle un programme d'éducation. Ce n'est pas un ministère délégué, ce ne, ce ne doit pas être une direction, ça ne doit pas être une portion périphérique autour du ministère, ça doit être un programme central au niveau du gouvernement pour que réellement les populations sachent véritablement que la part importante que le gouvernement a donnée à ce secteur est une part qui revient et que ça peut demain quand même aller vers la concrétisation de ces politiques. Actualité internationale internationale. Elle porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le chef de la transition militaire au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était ce week-end à Niamey, au Niger, après le Mali et la Côte d'Ivoire. L'inquiétante situation sécuritaire dans la zone des trois frontières était au cœur des échanges avec son homologue nigérien, Mohamed Bazoum. Au Mali, trois casques bleus ont été blessés dimanche dans le nord du pays quand leur véhicule a heurté une mine entre Ber et Tombouctou, a indiqué la mission de l'ONU dans le pays sur Twitter. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des blessés ni la gravité de leurs blessures. La MINUSMA, comme l'armée malienne, est régulièrement visée par des attaques des djihadistes internationale. La Côte d'Ivoire considère que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis deux mois sont des otages après que l'agent au pouvoir Bamako a conditionné leur libération à l'extradition de personnalités maliennes vivant à Abidjan selon une source proche de la présidence. C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence, a affirmé dimanche cette source qui plaide toutefois pour continuer de chercher une solution par la voie diplomatique. Le chef de l'agent en Guinée, Mamadi Doumbouya, est visé par une plainte déposée jeudi à Paris pour, je cite, complicité de torture et de d'homicide volontaire, selon l'AFP. Les plaignants sont le FNDC, une coalition d'opposition composée de partis, de syndicats et d'organisations de, la société civile et les familles de trois personnes tuées par balle dans des manifestations anti-pouvoir et d'une décédée en détention entre fin juillet et mi-août. Les plaignants demandent à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Une annonce qui survient un peu plus de deux semaines après la reprise des combats le 24 août entre ces rebelles et les forces fédérales d'Addis Abeba. En Afrique du Sud, au moins une personne a été tuée et plusieurs blessés après l'effondrement d'un barrage minier qui a provoqué des inondations et emporté des maisons dans le centre du pays, ont indiqué des Responsable dimanche. Le ministre sud-africain des Ressources minérales et énergétiques a lui déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à cinq morts. Quatre personnes étaient portées disparues et quatre autres étaient dans un état critique, a-t-il affirmé. International. Dix ans après la mort de l'ambassadeur américain en Libye lors d'une attaque à Benghazi, Washington tente de peser sur un règlement politique dans le pays toujours en proie au chaos après cette remise en retrait. Deux gouvernements se disputent le pouvoir depuis mars en Libye. Des combats ont opposé des milices rivales fin août à Tripoli, faisant 32 morts et 159 blessés selon un bilan du ministère de la Santé. Actualité internationale. Les États-Unis ont on aurait dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des pires attentats jamais connus le 11 septembre 2001. À Washington, le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone. Il a partagé un message envoyé au peuple américain le 11 septembre 2001 par la reine Elisabeth II, décédée jeudi. Le chagrin et le prix à payer pour l'amour, avait écrit la souveraine. Le cours de l'histoire de l'Amérique a changé ce jour-là, a repris le président. À New York, la foule réunie près de l'impressionnant musée mémorial de Manhattan s'est tue à plusieurs reprises pour des minutes de silence. La vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. La première dame Jill Biden a participé à une cérémonie à Shanksville, en Pennsylvanie. Actualité internationale. Le roi Charles III s'est adressé lundi pour la première fois au Parlement britannique en tant que souverain et chef d'État, disant ressentir le poids de l'histoire après avoir reçu les condoléances des deux chambres. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir que son armée avait repris aux Russes la ville stratégique d'Izium dans l'est de l'Ukraine. Actualité internationale. et sport. Et c'est l'heure de lui dire bonjour, façon de l'accueillir en studio. Moussa pour la page sportive. Bonjour NFA, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons à Sibosor. Le maire Hussein Diop euh, va donner une subvention de 5 millions à la jeunesse et ce sera pour la première fois ainsi qu'un stade municipal digne de son nom. Mère Ossène Diop, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidjane Dans l'agenda de la municipalité visant à accompagner les jeunes dans le cadre de leur épanouissement au cours de ces activités de vacances. Il se trouve que, je pense pour la première fois, que les jeunes de la commune de Sébessor ont eu la chance de pouvoir bénéficier pleinement de cette activité qui, ailleurs, a toujours été été faite durant les mauvais Donc c'est pour cela, nous, connaissons la place des jeunes, le développement économique de notre localité, et dans la stabilité sociale, donc nous avons ainsi voulu les accompagner au cours de ces activités de vacances. Donc c'est pour cela, nous avions inscrit dans notre budget subvention aux activités sportives et culturelles d'un montant de 5 500 000. Nous remercions l'équipe municipale sortante qui a quand même bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse terrain clôturé. Là, c'est à nous de relever les défis pour continuer le travail qui a été fait en dotant cette jeunesse d'un stade municipal digne de son nom. L'équipe nationale latérale droite du Bayern Munich titulaire lors de la dernière canne victorieuse du Sénégal, Boune Sarr va être opéré aujourd'hui du tendon rotulien et manquera donc la Coupe du Monde au Qatar. Deuxième journée, Ligue des Champions à 19h, le ben Leverkusen reçoit Atlético Madrid. FC Porto reçoit Club Bruges. Le choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, ce sera à 19h. Victoria Plzen reçoit Inter Milan. Sporting Portugal reçoit Tottenham à 16h45. Marseille reçoit Hertha Francfort à 19h. Liverpool reçoit Ajax Amsterdam à 19h. Basketball, en attendant de connaître son adversaire en finale du championnat entre le Duc et l'ISO, l'AS a validé son ticket et va disputer sa sixième finale de rang du championnat de National 1 masculin. Surf pour terminer, les Lions de la planche vont prendre part au World Surfing Game de l'ISA du 16 au 24 septembre dans la ville américaine de Californie à Huntington Beach. Voilà NFS qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. excellent suite de programme sur la 90.1. Voilà, c'en est tout pour cette euh, édition à la technique El Haji euh, Libas 13h, la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela et ce sera avec euh, Ngun Irene. Mais avant de vous quitter, Restez avec nous tout de suite, le rappel des titres. 14 septembre, l'édition 2022 de la Grande Nuit du Cadmia célébrée ce mercredi. À l'honneur de Cheikh Ahmed Tidjan Sherif, dès le début de ce journal, vous avez suivi le récit sur un pan de la vie et de l'œuvre du Saint Thomas. Hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, les boutiquiers manifestent pour dire qu'ils s'en lavent à grande eau les mains. Car les causes de ce qui leur valent une diabolisation à outrance ne viennent pas d'eux. Entre Vélingara et Kaulak, vous les avez entendus au courant de ce JP. Et puis au courant de ce JP, nous avons parlé de la 47e édition la semaine nationale de l'alphabétisation lancée officiellement jeudi dernier au Sénégal. À toutes et à tous, merci encore. Voilà, ça n'était tout pour cette euh, édition. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir euh, suivis, surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Neifa